ba état ba gouvernement bu bees bi yéeggee ba tey ñeneen ñi carrément c'est euh, euh, c'est des sabotages ñeneen ñi japp aussi amateurisme la euh, du régime de Diomaye on a vu cette correspondance du professeur Cheikh Omar Diagne qui a fuité avec tout ce qui s'en est suivi lool ban jangal nga ci am amna sax ñeneen ñuy dem sax gouvernement bu bees bi comparé ak ñi nga xamné mo nek les socialistes wala les démocrates ils sont pas très rigoureux si li nga xamné mo nek la gestion de l'État. Wow, léegi. oui, euh, en 2017 je crois. un rapport estampillé secret à la présidence. Un mm-hmm. rapport 92 euh, ou 94 je crois de GIE. Mm-hmm. sur l'affaire Petrotim. Amon Nako. ko. Mm. Baba Aïdara Amon na ko. Mm. Amon Nenko. ko. Mm-hmm. Pape allait certainement à mon mm. ça circulait sous le manche. Mm. c'était ultra confidentiel. parce que l'unité page de garde mm-hmm. ceci est un document secret. Mm-hmm. Quiconque qui s'en trouve détenteur sera poursuivi pour vol de documents estampillés secrets. Mm-hmm toute personne qui en exploite un passage sera poursuivie pour recel de documents estampillés secrets. Mm. loolu ngay njëkk lire. Mm. mais ça ne nous a pas empêché de l'exploiter chaque fois on disait publier le rapport publier pour nous def ko nii ñu non on n'est pas fou. Mm. donc l'or, même euh, euh, la lettre du directeur de cabinet mais on l'avait le bordereau d'envoi bordereau d'envoi sax yu la présidence dañ un daan am mais il y a dans l'administration mm. des agents qui sont toujours de l'ancien système mm. il y a des ministres dont les secrétaires généraux mooy ñi fi bàyyi ñu ak mm. tout comme présidence ni secrétaire général bi nekkee secrétaire général de Macky Sall Macky Sall am fa directeur de cabinet bu fa boo xam ne dafa ci ay mbokkam biir présidence. foofu bu amee fuite man sama xel si ñooñu rek lay dem. am na ay officiers supérieurs ñu géré woon palais yoo xam ne seeni nit ñu ngi biir palais ba dans les ministères partout dans l'administration, il y a ces gens L'essentiel, essentiel ñoom nañu nekk rek dans la transparence C'est tout nga xam ne lépp lu ñu génnee mu nekk loo euh, euh, la. Mm. la lettre de Cheikh Omar. Il n'y a rien de délictuel. C'est une fin de non-recevoir motivée qui l'a servi comme réponse. Maintenant, que nous publions quoi Bon, parce que là, de nuire Sûrement, parce que ça date de, du 31 du mois dernier. Mm. Et on la publie que maintenant. Mais, il y a des documents secrets, confidentiels, même Libération de publier. Mm ay PV man gis naa journaliste bu toog di lire PV ni. mais pourquoi ils le font en fait. je ne sais pas pourquoi légèreté boobu ça c'est c'est c'est l'administration sénégalaise ma ne la ma ne la euh, même même les PV d'audition. Hmm. dañ koy jënd. Mhm. lu leer laa la wax. dañ koy jënd. waaw. avocat yi xam nga dañ koy am. Hmm. mais fuite bu amee fan nga koy situé.

mais assise nationale liste invités invité woon du vous fuiter. on hmm. avant nous ñu publié. publier. mais parce que les gens sont dans le système c'est du sabotage Alors, qu'est-ce que c'est ma ni ñoom nañu dans la droiture rek nga les plus lépp lu génn du plus lu c'est tout. Hmm. c'est tout parce qu'il y aura toujours du sabotage moo il faudra le grand balai il faudra nettoyer. Déjà, on nous dit que le professeur Cheikh Diagne, euh, il a introduit une plainte euh, euh, de traduire qui dit Serine Modou Bousso devant la brigade cyber, spéciale de cybercriminalité. Clédor, par rapport à cette plainte du professeur Cheikh Diagne Tout à fait normal. Parce que, vous ah oui? débat politique, est contradictoire. Débat public, est mm. contradictoire. Débat scientifique, mën na contradictoire mais pas saaga saaga reewante Saga saaga reewante la am na ñoo xam ne dañuy utiliser ay utilisé yu ñaaw de façon très méchante uniquement pour faire mal à quelqu'un mm, mm, mm. ñooñu nag euh, Cheikh Omar il doit pouvoir obtenir réparation parce qu'il a un honneur il a une famille donc euh, waruñu permettre rek ku jóg rek saaga ko c'est pas possible nous sommes tous égaux devant la loi. Mm-hmm. voilà loolu nag. Euh, il faut ñu xam ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Clédor wàllum diplomatie on peut euh, mu neen ko waxee noonu euh, on a vu qui euh, dit Babacar Boukewolo, grand Babacar ñu koy waaw mun quoi ko mm-hmm. waxee loolu Clédor mm-hmm. parce que on a vu des personnes yu utiliser li nga xam la signature ou la sortie Ousmane Sonko pour mouna am des faveurs humaines mel ni ko yooyu yenn def Qatar après ñu terminer foofu si Libye mm-hmm. quatre personnes nous concernées par rapport à ce dossier Benoît si Baba Diallo beaucoup si li nga xam ne moo euh, Sophie si aussi euh, Serigne alias Ba Baye Mon mu nek aussi Ben jegeñaale selon les informations de Cheikh Bara Cheikh Bara qui n'est plus à présenter jege qui qui dit Ousmane Sonko ak Ben, étranger bo xam mom moom mun dafa fuir par rapport à ce dossier ak nu mu nous li nga devant la justice sénégalaise ak même l'implication d'un proche de Cheikh Bara fum toll dossier pour ñu porte

on te met devant les, tes responsabilités. Et je crois qu'on a une justice qui a retrouvé ses marques et son indépendance. Parce que escroquerie Bobo, mhm. ça porte atteinte à l'image du Sénégal, c'est très grave. C'est vrai. Parce que ces sanctions-là doivent être exemplaires. Mhm. Parce que un gourgou baisse, imite signature du Premier ministre, il mm. y aurait caché, il y aurait papier ministre d'introduire introduire lettres des correspondances des relations avec des chanceliers, avec des pays étrangers pour nous les recevoir au nom du Sénégal On les comme un autre officiel du Sénégal. Mm. ils ont bien fait de cibler les pays arabes parce que ont dañu quand ils reçoivent des officiels après ils leur mm. des valises. Mm. donc c'est une façon très très facile d'avoir de l'argent c'est simplement de l'escroquerie au-delà de faux et usage de faux, c'est de l'escroquerie. Mhm. Donc, lolo, euh, c'est des actes vils et répréhensibles qui méritent euh, sanction. Mhm. Merci beaucoup, Kledor. On mhm. avance, Kélédor, par rapport à ces nominations